Tu m'aimes. C'est l'amour là qui m'a mené dans cet endroit. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu m'aimes Je ne t'aime plus. Tu dis quoi J'ai cessé de t'aimer. Donc ce qu'on dit là, c'est vrai Akachi. Que tu sors avec la femme de quelqu'un, une femme mariée. L'amour est aveugle. Elle s'en fout de la femme mariée. Mais toi, t'es pas un aveugle. Tu n'es qu'un enfoiré. Et elle, une ne la traite pas de pute. Ampada, tu as trahi la confiance que j'avais en toi. Je t'ai tout donné. Même ma vie, je te l'aurais donnée. Nadia. Le feu qui brûle dans mon cœur est capable de brûler un homme. Il vaut mieux que je parte.